Fidèles auditrices et auditeurs du studio Kalangou, bonjour à vous et bienvenue dans notre émission Le Niger sur Kalangou de ce mercredi 12 juin 2024. Au micro, je suis Ali Moukela Hussein, alias Seno et avec moi Fanta Shamsou pour la présentation. Bonjour Fanta, comment vas-tu Je vais bien Seno. Alors, qu'est-ce que nous avons au menu ce matin Comme d'habitude Fanta, nous allons tenir compagnie à nos auditeurs pendant une heure avec euh, un flash d'informations pour commencer et aussi de la bonne musique nigérienne. Dans la rubrique hebdomadaire d'aujourd'hui, nous parlerons environnement comme tous les mercredis. Et dans la partie entretien du jour, nous allons écouter professeur Antoinette Tijani Alou qui nous parle de son tout nouveau roman Mano de l'autre bord dans un entretien qu'elle m'a accordé. Toujours dans cette émission, il y aura aussi du sport, euh, un reportage régional du Loti avec euh, les femmes du studio Kalangou et de la culture linguistique en Zarma. Nous allons clore avec les messages vocaux de nos auditeurs. L'édition est assurée par Adam Adawaki et à la technique, nous avons Abdelkader Tchombiano. Et c'est avec le flash d'information que nous allons démarrer cette émission et nous est présenté aujourd'hui par Rafika Taher. Bonjour Rafika. Bonjour Fanta, bonjour Seno. Bonjour. Alors, nous allons débuter ce flash d'information avec une note nécrologique. La Fédération nigérienne de football a annoncé hier sur son site le rappel à Dieu de Loseni Doumbia, ancien international nigérien et gardien de but de l'ASFAN. Loseni Doumbia était une figure incontournable incontournable du football nigérien. Vainqueur du tournoi de l'UMOA en 2010, en tant que gardien de but de l'ASFAN, l'Océanie a joué un rôle crucial lors de la Coupe de la Confédération de la CAF en 2010 et la première qualification historique au Niger au Chan, championnat d'Afrique des Nations, Soudan 2011 contre le Nigeria. Que son âme repose en paix. Amen. Le Niger, au Niger, les inondations causées par les récentes pluies ont fait 17 morts et 23 blessés sur l'ensemble du pays à la date du 10 juin 2024 selon un rapport de la Direction générale de la protection civile DGPC. La région de Maradi est la plus touchée avec un total de 13 décès et 12 personnes blessées. Les autres régions affectées sont Zender et Tawa, chacune enregistrant 2 décès. Pour les blessés, Tawa 5, Tilaberi 4 et Zender 2. Outre les pertes humaines, les inondations ont sinistré 3255 personnes provoquées, provoquées par l'effondrement de 329 maisons et 111 cases et 325 têtes de bétail en péri. Enfin, la journée mondiale contre le travail des enfants est célébrée aujourd'hui 12 juin 2024. Cette année, elle est axée sur la célébration du 25e anniversaire de l'adoption de la Convention sur les pires formes de travail des enfants. Selon les Nations Unies, à l'échelle mondiale, un progrès significatif, des progrès significatifs ont été réalisés dans la réduction du travail des enfants au cours des deux dernières décennies. Le nombre d'enfants astreints au travail des enfants a diminué de 85,5 millions entre 2000 et 2020, passant de 16% à 9,6%. L'Afrique compte la plus grande proportion d'enfants de la population, la plus forte prévalence du travail des enfants et le plus grand besoin de protection sociale. Voilà pour le flash de ce matin. Merci Rafika pour le flash info qui nous informe sur l'actualité de la journée. Et merci beaucoup Rafika. Chers auditeurs, comme annoncé en début d'émission de la partie entretien, nous allons écouter professeur Antoinette Tijani Alou, l'auteur du livre Mano de notre bord. Ouais, Fanta, mais avant, on va bouger en musique pour bien se réveiller. Et le premier titre de notre sélection musicale 100% nigérienne du jour est Dada Yahoume de l'artiste Denke Denke. C'est parti. langa ka kungu kula ga jirbi halla jirbi mai sa tunanni tunna tunanni kula ga kowa kula manin sai yara yalla balle les le titre de cette chanson que vous êtes en train d'écouter, un très beau morceau du groupe Mamar avec un mélange de différents instruments locaux très agréable à écouter, n'est-ce pas nous Oui, personnellement, j'adore surtout le son de sa flûte qui donne une couleur de vie en zone nomade. chers auditeurs, c'était notre première note musicale dans cette émission Le Niger sur Kalangu. À présent, écoutons l'entretien que le professeur Antoinette Tijanoualou nous a accordé. Et oui, dans cette première partie, elle nous parle de la structure, la forme et le style utilisé dans la rédaction de son œuvre. C'est parti. Bonjour professeur. Euh, alors parlons d'abord de la structure de votre livre. Pourquoi est-ce que vous avez choisi euh, de le scinder en livre plutôt qu'en chapitre D'accord, bonjour Fanta et merci euh, de, m'inviter à discuter avec euh, toi et avec les auditeurs sur mon nouveau roman Mano de l'autre bord. Ben, c'est une question qu'on se pose. C'est, quand même quelque chose qui existe hein, dans la littérature, qu'on a euh, le livre 1 ou le livre ceci ou le livre cela. C'est plutôt des méthodes de répartition euh, qui ne sont pas très très contemporaines. Mais moi, je ne sais pas, ça m'est venu comme ça. Euh, je ne me suis pas trop posé de questions. Euh, dès lors que, dans Manon de l'autre bord, qui est le roman dont nous parlons, dès lors que j'ai décidé que on allait raconter une histoire euh, d'un garçon Mano, un jeune homme exceptionnel, un enfant désiré de sa mère et né au bord du fleuve Niger à Harubanda. et que cette histoire allait être euh, comment faire que cet enfant qui a eu une vie euh, fulgurante, exceptionnelle, mais qui a eu aussi une crise forte qui le laisse emmuré dans le silence, comment on va le faire parler et qui va raconter son histoire. Euh, le dispositif a été euh, celui-ci. L'enfant est revenu, il est en crise et emmuré dans le silence. Il doit parler pour guérir, mais on doit aussi, dans cette histoire, c'est se raconter, euh, se conter qui permet de guérir. Donc c'est aussi une histoire sur l'écriture et sur à quoi sert les écrits, à quoi sert nos récits et euh, sur le, côté thérapeutique du récit. Donc on voit qu'on est dans l'histoire euh, un peu autour du mythe de l'enfant héros quelque part, hein, parce que l'enfant héros, qu'il soit prophète ou qu'il soit euh, un héros d'épopée, etc., il se signale par une naissance hors norme. Donc, qui raconte son histoire Je me dis, le piroguier qui le premier l'a tenu entre les mains doit raconter l'histoire. Et après, la mère aussi doit raconter l'histoire de cet enfant désiré mais aussi Mano, puisque c'est son histoire à lui. alors pourquoi avoir choisi de placer le livre de Mano en dernière position plutôt qu'en premier, puisqu'il s'agit de son histoire à lui C'est parce que aussi lui, il est le plus jeune. Les aînés parlent, le père spirituel parle, la mère parle. Ensuite, tous les deux, au début du livre de l'ABCD du Fils en tous les deux disent Nous avons commencé cette thérapie par la parole en te racontant notre histoire de toi. Maintenant, toi, tu dois arrêter ce silence, prendre la parole pour nous raconter ton histoire de toi, mais dans tes mots à toi. Et il y est invité. Au début de, l'ABCDR euh, du Fils Honor, Manon sait que il est temps qu'il parle parce que sa mère en a marre. Alors, professeur, je sais que c'est votre livre, vous l'avez écrit, mais est-ce qu'il y a des passages ou des moments qui vous ont le plus marqué dans ce livre. Est-ce que vous avez des passages préférés Un passage préféré, euh, non, mais il y a beaucoup de passages qui me plaisent. Il y a la naissance de Mano qui me plaît. Il y a euh, le moment où Mano naît et où la mère décide finalement de le faire intégrer la communauté par la cérémonie du nom, où elle passe du temps au bord de l'eau à se laver, à laver son enfant, à laver ses affaires, comme s'il y a une cérémonie de purification dans l'eau. J'aime, j'aime bien ce moment-là. Euh, j'aime le moment où Mano, euh, qui voyage beaucoup avec la famille Paoli, se trouve à Madagascar cette histoire des plantes euh, médicinales où il rencontre euh, un membre de la famille Paoli qui est moitié malgache, moitié corse. Et j'aime beaucoup ce moment où la nuit, il s'endorment dans une tente, mais qui est ouverte euh, à la belle étoile, mais il se protège des moustiques avec des plantes aromatiques pendues à la fenêtre. voilà, il y a, des moments que j'aime. J'aime les moments où, avec Dian Singh, il est dans la drague, où il la courtise où il danse, où il danse pour elle, <laughs> où il danse pour elle. Disons que j'ai pas mal étudié la danse, et donc c'est une expression artistique euh, que je connais bien. Euh, je connais bien certaines expressions artistiques, certaines mieux que d'autres. Et la danse, le théâtre, la littérature sont des expressions dans lesquelles j'ai quand même... Euh, euh, eu des formations aussi bien que le plaisir d'amatrice. Et en tant que lecteur, personnellement, en tant que lectrice, moi, je me perdais parfois à lire plus de la poésie euh, que le style classique des récits et des vers aussi euh, qu'on retrouve qui reviennent sous forme de refrains. C'est un roman poétique. Est-ce qu'il y a des grands classiques dans le genre littéraire qui vous ont inspiré à adopter ces styles Pas de manière spécifique, mais il faut dire que en tant que personne, mais aussi en tant que lectrice et par conséquent aussi en tant qu'écrivaine, j'ai une prédilection particulière pour la poésie. Et par la poésie, je ne veux pas dire simplement les textes en vers euh, avec une certaine musicalité. Je veux dire toute euh, création et toute expression euh, de la vie, du monde, qui euh, fait référence à la métaphore, qui est chant, qui est exaltation, qui enchante ou réenchante le réel. Donc je suis vraiment euh, un être de poésie et je vais retrouver la poésie dans plein de choses, dans la nature évidemment, mais aussi dans certains tableaux, dans certaines chorégraphies, dans certaines chansons, euh, il y a certains chanteurs qui sont en même temps des poètes. Et, mais on va trouver ça aussi, bien sûr, dans des vers qui sont écrits pour être la poésie. Vous savez qu'au début, la poésie était chantée toujours, parfois avec l'accompagnement d'un instrument de musique. Et ça continue à l'être d'ailleurs dans, beaucoup de cultures, même aujourd'hui. Donc, donc pour moi, j'aime les livres et les œuvres, euh, que ce soit littéraire ou non, qui sont poétiques et qui vont faire euh, chanter le réel et qui vont creuser l'imaginaire, la métaphore, le symbole. Voilà, c'est nous. Avant de poursuivre, je propose qu'on fasse une petite pause en musique. Et tu nous proposes quoi comme son Eh bien, je vous propose le titre Materma. oui, cher auditeur, euh, c'est bien le titre euh, Matam Malin, hein, chanté par le fait à la au plaisir de tous nos auditeurs qui sont actuellement scotchés. El Taya, c'est certainement l'un des plus grands artistes du Niger. Il domina pratiquement la scène musicale des années des indépendances jusqu'à sa mort prématurée en août 88 alors qu'il avait tout juste 37 ans. Paix Amen. chers auditeurs, poursuivons à présent avec l'entretien que nous a accordé le professeur Antoinette Tijanial. Oui, Fanta, dans cette euh, deuxième partie, elle évoque les thèmes abordés dans son livre, les prix également qu'elle a y à Dans votre roman Mano de l'autre bord, le roman dont il est question aujourd'hui, plusieurs sujets y sont abordés, principalement la recherche de son identité tout au long du livre. Mais il y a aussi un sujet qui n'est pas très ordinaire, je dirais, celui du viol. Un viol qui n'est pas ordinaire non plus. Euh, c'est un garçon qui se fait violer ici. Pourquoi avoir abordé ce sujet-là Parce que les garçons sont violés aussi. C'est vrai que les femmes sont plus souvent violées euh, que les hommes par euh, fait quotidien, souvent dans la sphère domestique. La plupart des femmes violées partout dans le monde le sont dans des lieux où elles vivent avec, par des gens qu'elles connaissent des gens, euh, des, hommes familiers voire même de la famille. Et cela se passe sous silence. Le, viol est tabou et on n'en parle pas. Mais le viol de l'homme, du garçon, par euh, une fille, c'est encore plus tabou euh, que le, que le, viol habituel. En fait, le viol, c'est quelque chose qu'on ne pense pas beaucoup. On ne se dit pas que le rapport sexuel doit être consenti et que s'il n'est pas consenti, quel que soit le contexte, c'est un viol. Mais imagine quand même, il arrive qu'un homme ou un garçon est, possédé sexuellement sans son contentement. alors c'est un viol. Et ça peut être traumatisant parce que le corps est pris en violence. Et déjà, on voit comment Manon est manipulé un peu par beaucoup de gens. Et lorsqu'il est violé euh, par Akosoa, qui travaille dans la maison des Pauli, ce n'est pas le fait qu'il y ait un rapport sexuel qui l'a le plus traumatisé, mais qu'elle n'était pas avec lui, qu'elle d'abord qu'elle le trompe, qu'elle le prenne de force, euh, qu'elle même dans ce qui devrait être une union, elle se tienne à distance et qu'elle s'arrache et qu'il n'y a jamais de parole, ni pendant, ni avant, ni, après, et qu'ensuite, elle disparaît, elle s'en va en prétextant qu'il se passe quelque chose chez elle, elle disparaît. Donc il n'y a jamais de parole, il n'y a jamais d'échange, il n'y a pas la possibilité de mettre des mots dessus. Et elle est en colère, il ne sait pas contre qui ou contre quoi, mais cette ce, colère est dirigée contre lui et, et, absorbée par son corps qui, qui en quelque part est brutalisé c'est quand même euh, un trauma. Il y a des, garçons qui vont dire Mais qu'est-ce que tu racontes C'est quelque chose qu'on te donne. Mais non, on lui donne rien, on lui prend quelque chose. Et il y a aussi cette diversité euh, de personnages, les voyages des Manu et tout cela. Est-ce qu'il y a un message particulier que vous aviez voulu passer à travers Mano et toutes ces rencontres C'est plus une recherche qu'un message. Euh, je me méfie beaucoup des messages à passer parce que le message, ça veut dire que j'impose une manière de voir euh, ou une manière de penser au lecteur alors que même pour moi, l'écriture, c'est aussi une recherche euh, à travers les personnages, à travers l'histoire de Mano. J'explore aussi des pans de ma vie. Euh, si le lecteur peut se retrouver en Mano, c'est parce que moi aussi, je me retrouve en Mano. C'est parce que Mano est humain. Et à part la mention spéciale au prix Ivoire, est-ce que vous avez déjà remporté d'autres prix ou participer à d'autres sélections J'étais finaliste de plusieurs prix, euh, mais euh, c'est cette mention spéciale qui, euh, a quand même, qui est quand même venue donner euh, une reconnaissance à Mano de l'autre bord. J'attends euh, une dernière... Euh, c'est un livre dont je suis fière. C'est un livre dont ma maison d'édition Projectile est fière. Nous sommes, nous sommes fiers de porter l'aventure de Mano qui a touché beaucoup de gens différents et qui se reconnaissent dans cette histoire parce que c'est une histoire de notre monde d'aujourd'hui avec tous ces voyages, avec tous ces métissages, qui est l'histoire de tellement de familles, et même ici au au Niger, hein, où tellement de personnes sont nées de familles mixtes, euh, devenues, venues de différents horizons, différentes parties de ce, vaste Sahel. Euh, le livre va euh, être traduit dans d'autres langues et va connaître donc une nouvelle vie en italien, en brésilien, en portugais brésilien, en anglais. Et euh, dans d'autres langues, on espère. En tout cas, euh, mon agent littéraire Pierre Astier travaille dans ce sens-là pour que le livre ait une autre vie en retrouvant des lecteurs dans d'autres langues à travers la traduction. Donc euh, Manon n'a fait que commencer son, son, aventure et on peut lui souhaiter une longue et belle vie et, beaucoup de, beaux voyages. Il me permet d'avoir beaucoup de beaux voyages à la rencontre des lecteurs euh, euh, un peu partout. Donc ça, c'est quand même euh, de belles aventures et il y en aura certainement, certainement d'autres. Le livre aura une autre vie plus tard en livre de poche. Bref, Manon a, la vie devant soi. C'est pas une écriture commune, c'est pas une écriture commerciale. Euh, si on veut faire euh, une écriture qui est facile à digérer, qui se boit comme un smoothie, bon, on fait autre chose. Euh, c'est vrai que c'est un livre qui est exigeant. Il, exige des choses du lecteur, il a exigé des choses de moi en tant qu'écrivaine, il a exigé des, travaux de, mon éditeur. C'est pas un livre qui se donne comme ça facilement mais je ne suis pas non plus une femme qui se donne <laughs> facilement. <laughs> non, non. Je pense que la vie a des risques. Et Manon de l'autre bord, c'est une écriture euh, qui prend le risque d'explorer des, euh, des, des, espaces euh, peut-être peu habituels du récit et qui donne une, qui exprime, qui explore la narration qui prend le risque aussi de, raconter l'histoire trois fois par trois voies <laughs> différentes, mais qui prend aussi le risque d'amener un espace euh, comme euh, Niamey, euh, derrière le fleuve, Harubanda, et notre réalité locale qui, qui dit que ce, ce sont des lieux qui mérite d'être dans la lumière du monde. Et pour moi, ça, c'est déjà quelque chose d'important. Voilà, merci beaucoup, professeur, euh, de nous avoir accordé de votre temps. On vous souhaite une agréable journée. <laughs> Ben, merci de Fanta d'être venu euh, causer avec moi, ça m'a fait plaisir et merci pour cette fraîcheur et cette spontanéité. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, à présent, c'est l'heure de notre rubrique hebdomadaire. Nous sommes mercredi et justement, nous allons parler environnement. Exactement, Fanta. Eh bien, dans quelques jours, la communauté musulmane du Niger célébrera la fête de l'aide el-Kébir ou fête de Tabaski pour limiter la consommation excessive de bois de chauffe pour la fête. Une euh, coalition d'ONG nigérienne a lancé une vaste campagne pour stopper net le phénomène. Reportage signé Mokhtar Hamadou officiellement lancée il y a quelques semaines à Niamey, la campagne dénommée Tabaski Écolo, qui est à sa septième édition, vise à sensibiliser les Nigériens pour qu'ils réduisent dans l'utilisation abusive du bois pour la grillade des moutons en vue de la préservation de l'environnement, explique le secrétaire exécutif de l'association Jeunes Volontaires pour l'environnement, Sani Ayouba. Ça nous a permis quand même de discuter un peu de ce qui avait marché les six dernières années et des obstacles par rapport aussi à objectif qui était d'aboutir à ce qu'on appelle un mouton, un arbre, c'est-à-dire un mouton sacrifié, un arbre planté pour compenser la quantité de bois qui sera utilisée ou consommée lors de la grillade ou lors des activités en lien avec le mouton. Donc pour nous, c'est d'abord de discuter ensemble pour voir comment rendre cela effectif, parce que dans les éditions précédentes, nous avons vu quand même, lorsqu'on met à la disposition des, citoyens ou des ménages des plans, les gens sont à mesure quand même de les utiliser ou de les récupérer pour faire les activités de reboisement. Mais aujourd'hui, comment amener les gens, tous les ménages à s'intéresser à la plantation et surtout à investir dans l'achat des plants Parce qu'on est conscient qu'on ne peut pas distribuer des plants à tout le monde. Donc cette année, la sensibilisation va plus s'accentuer sur la prise de conscience civique citoyenne par rapport à l'enjeu de l'environnement. Cette année, c'est l'une des années les plus chaudes, donc il faut planter des arbres si on veut lutter contre cette élévation des températures. Il faut éviter de couper les arbres aussi si on veut quand même maintenir un microclimat assez favorable si on veut lutter contre la pollution. Selon les organisateurs, la seule capitale, Niamey, consomme près de 50 000 tonnes de bois pour la grillade des moutons à chaque fête de Tabaski, soit l'équivalent d'environ 25 000 arbres abattus. C'est pourquoi les organisateurs mettent l'accent sur la sensibilisation des Nigériens, explique le secrétaire exécutif de l'association Jeunes Volontaires pour l'Environnement, Sani Ayouba. On considère qu'il y a peut-être un million ou 2 millions de moutons qui seront égorgés le jour de la tabasquée au Niger. En prenant cette sensibilisation de un mouton, un arbre, on peut quand même avoir peut-être un million d'arbres qui peuvent être plantés sur l'étendue du territoire national. À Niamey, les statistiques disent qu'il y a plus de 200 000 moutons qui sont égorgés l'unique jour de la tabasquée. Pour nous, l'objectif, c'est d'atteindre au moins 50 000 arbres qui peuvent être plantés le jour de la tabasquée. Mais à long terme, c'est d'avoir des pépinières un peu partout et nous-mêmes de nous intéresser dans la production. Comme ça, les organisations même de la campagne peuvent avoir leur propre stock qu'ils peuvent mettre à la disposition des citoyens c'est-à-dire amener les gens à prendre conscience que nous devrons planter et entretenir les arbres, parce qu'un arbre, c'est comme un enfant. Donc c'est pourquoi nous essayons de récompenser aussi ceux qui ont planté les éditions précédentes, les encourager à travers des prix de motivation. Si chez toi, il n'y a pas assez d'arbres, tu dois planter. S'il y a assez d'arbres, est-ce que tu peux planter dans l'établissement scolaire à côté Est-ce que tu peux planter à côté du marché Est-ce que tu peux planter dans ta ruelle Est-ce que tu peux protéger Est-ce que tu peux garantir au moins un seau d'eau par jour pour la plante jusqu'à ce que y ait la saison des pluies Chef de ménage et un grand consommateur du bois avant, Kimbagarba Bazakriaou s'engage à matérialiser l'initiative à laquelle il adhère fermement. Ici, dans un parti écologiste, on était les premiers à sensibiliser les jeunes ou bien la population nigérienne par rapport à cette initiative parce qu'une a qui est noble. Donc le fait qu'on fait l'opération Un mouton, un arbre, je pense que ça va permettre de réduire l'impact du changement climatique et ça permettra aussi de, redonner une image de la ville de Niamey. Je profite de votre micro pour essayer de rappeler à l'État de revoir dans quelle mesure ils peuvent subventionner le chemin numéral à la population nigérienne. Inch'Allah, cette année, au cas où en tout cas on a l'opportunité d'acheter le mouton, donc Inch'Allah, on va essayer de planter de l'arbre et non seulement de planter, mais d'encourager la population population, ceux qui sont nos voisins, au moins avec les voisins, de planter des arbres et surtout de les entretenir. À l'intérieur du pays, les cadres du ministère en charge de l'environnement et de la lutte contre la désertification multiplient les initiatives tendant à réduire la coupe abusive de bois. Commandant Hassan Hamadou, directeur départemental de l'environnement de Dogondouki, explique. À la veille de la Tabaski, donc, nous avons prévu vraiment d'effectuer beaucoup de missions pour sensibiliser les populations. Ça ne sert à rien, surtout le double usage du bois grillé et encore après rôtir. Vraiment, nous sommes en train d'engager beaucoup d'actions. Mais aussi ici à Dogondouti, nous avons un autre phénomène. Nous sommes frontaliers avec le Nigeria qui, vous allez voir beaucoup de charbon qui rentre du Nigeria beaucoup du charbon du bois. Donc nous sommes en train de voir comment contrôler ça. Et surtout que quand tu vas au niveau de ton voisin, c'est de tout faire pour que ça n'arrive pas chez toi. Au Sahel, le Niger fait partie des pays qui subissent de plein fouet les conséquences du changement climatique. C'est pourquoi le changement de comportement en faveur de la préservation de l'environnement doit être une priorité. Merci à Mokhtar Amadou pour ce très beau reportage. Alors, Fanta, pour euh, notre troisième balade en musique, je vous propose, chers auditeurs, le titre Medawa de l'artiste Sani Saadou oh. Voilà, chers auditeurs, c'était le titre Maïdawa de Saadou Bouri en espérant que vous avez aimé. Après cette pause musicale, sinon on passe à l'écho des régions qui nous amène à Difa. Effectivement, Fanta, pour euh, le reportage en région d'aujourd'hui, nous partons à Difa pour parler de la vente du poisson. Et le commerce du poisson à Difa, une ville autrefois florissante grâce à ses activités de pêche, subit aujourd'hui un déclin alarmant. Et oui, les récentes attaques terroristes ont instauré un climat d'insécurité qui paralyse les pêcheurs et les vendeurs de poissons. Écoutons le reportage de Guidi Abdraman. La commercialisation du poisson est la principale activité génératrice de revenus de certains habitants de la ville de Difa. Aujourd'hui, cette activité est réduite à cause de l'insécurité qui sévit dans la région de Difa depuis quelques mois. Cela a entraîné la pauvreté chez les pêcheurs. suivant leurs réactions. can muke rihe ido mu je saboda babu wani sana'a da muka iya sai kama kifin nan gaskiya akwai guraren da za a kama kifi ko a yanzu akwai shi amma rashin tsaro zai yi ba mutum ya je wajen gwiwar ma ƙasa gwamnatin da ya ta taimaka ta ba mu tsaro ta ba mu damar mu je ko ina ne mu kama kifi da gonar ta gama mana komai mun dawo gari zaune da gwabar gaba da ita kake kwana da ita kake tashi sanar kamun kifi yanzu ta ja baya oba ma saboda mu karan kanmu da kyar muke kawo a gida dan mun taɓa taba zuwa mun sami su ma a cikin wani gurin a cikin ladadin yan boko haram kawai suka buɗe mana wuta wallahi mun samu da kyar dai mun tsira ba wanda ya ji ciwo dai cikin mu ta gwamnati tunda tana samun karuwa a cikin sana'ar kamun kifi ya kamata a kara mana matakan tsaro yadda za mu shiga lafiya lau mu dawo lafiya lau wannan mu sana'ar da ita muka dogara sana'ar kamun kifi wadda ita ce cinmu ita ce shanmu. Selon Usman Bamanu. un de commerçant au marché de poisson de Difa, Les attaques terroristes rendent souvent difficile l'accès aux poissons en toute sécurité. Lallai ne duk lokacin da aka samu wannan hare-haren to sai an samu karancin kifi kuma sai an samu matsaloli game da su masu kama kifin. Wasu suna gudu a su koma wani gari, wasu kuma suna cire kayan sun su su zo gari su dan kwana biyu uku kafin waje an samu lafiya su sake komawa. Ba wannan hare-haren jifa-jifa da ake samu a jihar Difa iya kawo karancin kifin ba kamar da ba. Saboda duk lokacin da aka ce an dan kawo wannan harin to sai an dan yi dar kowa dan kama jikinsa zuwa dan kwana biyu ta kuma sake zuwa je a kamo kifin a fito da shi gaskiya rashin kifi a kasuwa baya da daɗi saboda muna da mata da yara da maza da yara ƙana matasa masu gyaran kifi da masu baro da 'yan dako da kowa karancin kifin nan ya sa kowa abin da yake samu ya yi karanci kwarai har ya zama na yanka tashi da yamma din ma sai dai wani ya taimaka ma wani a samu aje cefane a koma gida ba kamar da ba da alhamdulillah dan mota bakwai takwas tara ma suna zuwa kasuwa amma yanzu din gaskiya kifin ya yi karanci kamar mota uku hudu suke zuwa in suka zo kamar boso kabilewa kamar gegime suna kawo in suka kawo kuma shikenan an watsayar da na motin shikenan La pêche et la vente du poisson sont des activités essentielles pour l'économie locale de Difa, offrant des perspectives d'emploi aux habitants de la région. Cependant, le manque de sécurité dans la région entrave le succès de ces activités. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Chers auditeurs, si vous venez de prendre l'émission en cours, ne vous inquiétez pas, vous pouvez la réécouter sur notre site web le www studiokalangu.org. C'est le moment pour nous de recevoir Adam Sariou pour la partie sport. Bonjour Adam. Bonjour Seno. Bonjour Fanta. Bonjour Adam. Alors, dans ce troisième numéro de la semaine, nous allons débuter avec le regroupement du ménage junior. Eh bien oui, Fanta, réuni depuis lundi 10 juin au Centre technique national de la Fédération nigérienne de football, le Ménage Junior a entamé la première phase de sa préparation en vue du tournoi qualificatif à la Coupe d'Afrique des Nations de la même catégorie. Le sélectionneur national Abdraman Issa a fait appel à une cinquantaine de joueurs provenant des différents clubs de toutes les divisions du Niger. La prochaine étape verra l'intégration des joueurs professionnels en vue de finaliser la préparation pour le tournoi qualificatif prévu du 17 au 31 octobre 2024 à Lomé au Togo. Parlons à présent des demi-finales de la Coupe nationale du Niger. C'est nous là, le dernier carré de la Coupe nationale du Niger a débuté depuis samedi dernier avec la rencontre qui a opposé l'ISFAN à l'Urana FC Darlit, victoire des militaires sur le score de 4 buts à 1. Le match retour est prévu ce soir sur le terrain des miniers Arlit. Hier, l'Union sportive de la gendarmerie actuelle quatrième de la Super League, a dominé la surprenante équipe le Maradi, le Wombay AC, celle rescapée de la Ligue nationale sur le score de 4 buts à 1. Cette performance assure presque une place de finale aux hommes de Aruna avant le match retour. Rappelons que quel que soit l'issue du match retour, le Wombay AC a déjà atteint son objectif pour cette saison car l'équipe de Maradi s'est déjà qualifiée pour la saison prochaine en Super League. Et pour terminer, parlons de la clôture des troisième et quatrième journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. À ce niveau, nous allons revenir sur les trois équipes qui ont réalisé un carton plein à l'issue de ces troisième et quatrième journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. D'abord par le Bénin qui a aligné deux victoires de suite sur le Rwanda et le Nigeria. Même chose pour le Maroc qui a battu la Zambie et le Congo-Brazzaville. Et enfin, le Ghana a aussi enchaîné deux victoires une première contre le Mali à Bamako et une deuxième à domicile contre la Centrafrique. Chers auditeurs, c'est la fin de ce numéro sportif. À demain. Merci beaucoup, Adam. Après le sport, chers auditeurs, nous enchaînons avec la rubrique portrait. Oui, chers auditeurs, le portrait de ce jour nous amène à la découverte du plus jeune joueur de kakaki, un instrument de musique traditionnelle. De nom du nom de Umaru Meikakaki, un natif du département de Madawa, une activité dans laquelle le jeune devient de plus en plus célèbre. Reportage signé Mariam Adé. Âgé d'une vingtaine d'années avec une taille moyenne et un teint clair, Omar Mekakaki est le plus jeune joueur de Kakaki au Niger, un métier qu'il a hérité de son père. Il nous raconte ses débuts. Cela fait 11 ans que j'ai joué la trompette traditionnelle. J'ai 24 ans. C'était mon grand-père qui jouait cette trompette. J'ai trouvé mon père aussi jouer. Aujourd'hui, j'ai pris la relève. Omar Mekakaki ne cache pas son sentiment de satisfaction. Cela lui a permis de faire le tour de plusieurs localités du pays. Il nous en dit plus. J'ai visité presque toutes les régions du Niger, sauf Difa. Même là-bas, je sais réciproquer, c'est-à-dire, j'aimerais visiter la ville de Difa, j'ai jamais été. Notre chef traditionnel est fier de ça. Tu n'as pas besoin de te présenter. Dès que tu viens, on se cultive. Vraiment, ça m'a beaucoup donné de privilèges et c'est un véritable gagne-pain pour moi. Certes, aujourd'hui, les jeunes est très connu à travers son kakaki, mais il garde toujours les souvenirs de ses débuts difficiles. Écoutons-les. Vous savez, dans la vie, tout ce que vous faites, on va toujours vous critiquer. Les jeunes n'ont pas la même vision. C'est un travail que j'adore et que je considère comme un Maman, le père du jeune joueur de kakaki, s'est dit très fier de son fils car la relève est assurée. L'enfant là est en train de faire un bon travail parce qu'il est sur mes traces. Il joue très bien l'instrument et il fait la fierté de toute la communauté, surtout lorsqu'il joue chez les chefs traditionnels. Il fait vraiment un bon travail. Omara doit servir d'exemple aux jeunes qui délaissent les traditions ancestrales au profit d'autres cultures. Merci Maria Madei pour ces portraits, chers auditeurs. C'est avec le titre Aure Dadi, Aure Jidali de l'artiste Maman Barka que nous bouclons cette playlist d'aujourd'hui. sarki Allah ka bani diya da da'a mai ladabi mace mai biyayya Allah ka bani diya da da'a mai ladabi mace mai biyayya zaman da ba hujja ba dalili da wani arman gara a watsi arman da ba hujja ba dalili ka armi mace ka kai ta gidanka ta zagi uwarka ta zagi ubanka da wani arman gara harawa arman da ba hujja ba dalili ko jinjiri yaro ba shi daukan yaro sai dai su rungumi juna su faɗi arme haka kai mai gida rike tumurinka randa ya sallube ka shiga Cher auditeur, c'était là le titre Auré de Dadi, Auré Gidali » de l'artiste Barka. Attaquons à présent la partie Loti. Eh bien, le Loti du desk femme du studio Kalangu porte sur le KM en langue Hausa ou produit aphrodisiaque en français. En effet, l'utilisation de ces produits aphrodisiaques est devenue monnaie courante chez de nombreuses femmes nigériennes et cela a des conséquences néfastes sur la santé selon les agents de santé. Écoutons cette discussion entre Salamatou Kadri et Zainabou Abdou. <laughs> <laughs> zainabu mm, aisa ma ma ma ma nugu ma nuguma deri funon kan dai sai mun mo mm, koyi ne ai boro ai ne ni se ka am ne randi ko ta ji funo ka ga fun kwaro wani fora ai ne ni sai chorai gu dai ga wani jinai ka go ne rasi faisi ai bora ni bai nuwa nugu ni sai kan siban kan te da wala chimi no igon gondo noru hai kai di da manga nai ga te da ai mu makani ya din no noro no amma bor bai hankara borgin noro wiya dai hm, ne gai bai dai kaula ai kulkan ganan ay kurinya mai kani ay gace shi ni ga ga. a wani ne ga bayaga wato kul hay tai kukan ka ka daidin ko ka cece ni sifar ga ifunun ko cece ko ne hmm, dan yan sai gina yan nai dai inda ay kurnya kul sai nan dai kan ganan ya dai kal su ai dai turi turai dini hamne hamne din ki ga buka ai dai wadin ya ai dai kini kini zai dini da fa bugu ne ki ga samba ne ni a dai ni ga bai ni faham hey hamburir koi haddin no gode dawora ai bon guda bu ai bon guda asiba ya gafa asibai ai gizan buga na sai no asiba bai hey boroni kan gai bai zainabu ai wani lema har karfo na ga te citta wani ai ne sai mu doi kini zai ga buka ga kasa sara almaro rada zumbugai da ka ayi ne gullai zo sallah sai mai gida ta ga hamme jika na kai tenisi ne a dai ni noga bay mi chindi. subhanallah isa ti fo sen go ter kin eh, bora kul gate ay hinno na no nigdi manti kalamo du gabi am sifarga. farga ay mo ni mo dai wicir kan te ay mo nyumay mai ga turara hu kanada wadan bandai mu do lipton zo gidan ay gullai zo rai mahan ay way murado te habani mo ay ni ka abano ni ben sing ba fo ne man safare nola niga bay me. ayi kwa yano to hangane segma kwayadin no garan ize te ala to mize zama kwayadin no ginin kurin wi nin bo amin da ka ban din man hawa wai hanga nese mun ga nufin wadin mu kwai ne to ferin hanga igma te din kan gogte agoga tarin ga hambanu lahan no kaina kaina bere ko ne man ne kala albore watu kulkani mayan wadi ne a ginga ta yi sewu kan sigina na sarki ga priya pisim ferin hanga yi mahan kan ga tiyaji ne a albortara a ga tonan kan no a singiye ga kani kwai ne wadin mu a ginga to sai kan nan kan ima opere ima opere ni ma dai hankaici wadin mu ginga kan da kan albatara din mu buka sun ge koi ne. asa da bu irin di mat noni ga te ne. ai bu hey yir koi furane ne bonda aman ban ni mo kan tuwe bora nim nal albora ma kanan diyan ne. sanga mat ni ga bani ma ci da wat ne. a ginga kan ga bi ngwari doro kan siga ne kansar. kansayar kwai ne haniya wala zainabu ne wala goga bi fi sibirin layi oho me safarai din kan goga ne ni sambadi ne yi alwat kukura iga kan din se gobortara in ganda haitu kansayaro mantai non kifa bere kono non ci subhanallah wani kul kami ziyawo ma gase to da ya da nayi wa zan kuna kogi kuddan fi sora ga furu mai cinga nisi ba hamburu aw ma yarin ga bai kan digin ba fune kan mantin dai wala to ni bai dai kan ai suka ga ni bai dai kai suka ga saru san biya mu ya mu sun tilo so bai wo gode do kan ga sai ai kan tilo so mu kan amma fi si wala ni are kan ya ne kan so kan so he ai kyora ka ne fa bai ga ai man ne nono no gonsi im di zambar waran ko fono di ma ai ga yauso in an sare ne vite ai ga yauso vite da ju noka agogo foru habo habokan gokara Voilà, chers auditeurs, c'était là le titre, le loti offert par euh, le desk femme du studio Kalangou. Écoutons ensemble l'explication du mot sacrifice avec Alassane Abdou, rédacteur en chef du studio Kalangou. Bonjour, Alassane. Bonjour euh, Seno, bonjour Fanta. Alors aujourd'hui nous allons parler du mot sacrifice. Comme euh, chaque mardi, nous essayons de reprendre des mots déjà traduits euh, dans les autres langues pour en parler aussi en zarma. aine haga sanni zu foyen bon kanga dukkanan bore fa ka bai amma hun kuna sanni zo kan burko salan de man takala kimsite yambo kimsite yambo ya digirin kina warse de ka alhamdulillah hun kuna no wazu bun bono kimsite yongo bon kir ko salan warse sanni ga nga no senigine sacrifice de asi kul se tugurera do bore kanga fam kan bor kan gonde hina nga bonni dake zama irko diya bumbo eh, sallallahu alaihi wasallam an te nga jamase an te mu bore kan sinde ya ni ga matkin bore faman da de agwar salam kul kan gondi hinabo ma ni bon chimso din te ni bon se wone banaga mi not kan bore ko idodo ika nga no bore ga fege wi jingar eh, mono ka ga kan zan kai sa ga kan bore kan gaba ba hamse gumo zama a ganan bore eh, bore ma almanai wi eh, matkan ki dawar sai da hunkun wono wazuno amma ina a nasarar sanni ga bore duka duk hamsi hankanta sacrifice zam madigine sacrifice zam dirka sa an sar sanega sacrifice wo hari bobi igine borani yakinte dini flanra, an sacrifice yente mulse flanera bora ko yakin sacrifier an yakinta yakinte har kanga dukana fam be kan sacrifice dinga fank sabu irka war sa ti almane kan ka kowi kimso wate irko ma arsalam kunno hina kangate irko ma kata dogana arsalam kurse irgo ngwari mo irko kantin ko amana irma kimso te lakal kana de banara amana mo bugo bire da zarme musu fegi wana <laughs> zai ko kinin ga ko kimsi zama asahalal a halal pour euh, ces éclaircissements. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots dont vous souhaiteriez avoir l'explication, en Hausa, en Zarma, en anglais, en Tamashek ou en Fulfulde. N'hésitez pas à nous laisser un message vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Et justement, écoutons ensemble vos messages. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Oui, j'écoute bien le programme du Studio Kalangu. Je pense que c'est un programme très riche, euh, assez dense, qui à lui seul est une stratégie de conscientisation de la masse laborieuse. Je tiens vraiment à encourager le studio Kalangu pour tout ce, que vous êtes en train de faire. Surtout euh, cette stratégie de vouloir être partout avec vos partenaires, là, les radios communautaires, avec vos correspondants un peu partout à travers le pays. Euh, quand tu suis le programme de Studio Kalangu, tu te retrouves à travers tout le pays. J'estime que vraiment Studio Kalangu, vous êtes en train de faire beaucoup, avec votre forum aussi, que je suis d'ailleurs. J'aime beaucoup suivre quand même votre forum, avec vos, plages de magazines, etc. C'est vraiment costaud. Ici prend fin le Niger sur Kalangu de ce mercredi 12 juin 2024. Vous étiez en compagnie de Ali Moukela Ouseni et moi-même Fanta Chanson. Et oui, à l'édition, c'était tout simplement Adama Dawaki, la grande dame, et la technique a été assurée par Abdulkader Chambiano. Bye bye, à la prochaine.